pourquoi aujourd'hui le mouvement Saint-Louis dit non Comme le disait euh, Bambay, la personne qui dit oui ou non, c'est-à-dire il a le choix et le pouvoir de choisir entre oui et non. Alors que nous, jeunes, nous, activistes, nous, citoyens, aujourd'hui, nous avons le droit et le pouvoir de dire oui car il le faut, non car il le faut. Surtout à la ville de Saint-Louis. Comme vous le constatez, à la ville de Saint-Louis, il n'y a pas un mouvement qui est capable de dire non à certains obstacles à certains méfaits, à certaines choses qui sont ignobles dans, dans la cité. Alors aujourd'hui, si on se regroupe tous en tant que jeunes, blogueurs, activistes, euh, euh, euh, leaders, en toutes sortes de, mouvements, pour se regrouper aujourd'hui, c'est pour défendre et, et, et, et, protéger nos biens, pour défendre aussi aujourd'hui la santé aujourd'hui. C'est pour cela qu'on est là. On a mené beaucoup de combats, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler C'est-à-dire de la santé. Aujourd'hui, quand je vous parle de la santé, vous tous, vous êtes là, vous êtes au courant de ce qui se passe à Saint-Louis plus précisément à l'hôpital régional à Saint-Louis. Je ne vais pas entrer au, au, au but de la parce qu'il y, y, y a, le représentant qui est là, à ma, à ma gauche. Il, va en venir, il va relater les faits. Mais nous, en tant que, en tant que citoyens, le message que, que j'adresse à, la, à, Saint-Louisiens, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, pour dire on va se mobiliser, pour dire on va parler. Non, comment c'est anormal on ne peut pas attendre à cet stade-là où l'hôpital, on ne sait pas, je ne peux pas l'appeler l'hôpital, parce que Auparavant, ce qu'on appelle les pyramides, ce sont, ce sont, ce sont les, les, districts, ce sont les dispensaires qui convergeaient vers l'hôpital. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les malades qui quittent les hôpitaux, l'hôpital régional de Saint-Louis pour aller dans les districts, pour aller dans, dans autre chose, dans les cliniques. alors que c'est anormal. Pourquoi ces questions-là Et nous, en tant que jeunes, et nous, en tant que Saint-Louisiens, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit laisser ça euh, continuer Est-ce qu'on doit se lever pour dire non est-ce que ça, doit limiter à nous tous ici présents pour dire non Non, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est le combat de tout un chacun. Au niveau des urgences, il y a les différentes pathologies, pathologies qui sont mélangées. On ne sait pas le malade qui a le Covid, on ne sait pas le malade qui est diabétique, qui est cardiopathe, on ne sait pas faire la différence. Toutes les pathologies sont mélangées au niveau des urgences. Et quand on parle des urgences, je pense qu'on reçoit toutes les euh, pathologies. Et quand on reçoit toutes les pathologies, s'il y a des malades qui ont le Covid, qui viennent s'y ajouter, ça pose problème. Et on sait avec les différentes pathologies, s'il y a le, euh, le Covid qui est sur place, la situation devient alarmante. Et les causes de décès, on ne peut pas évaluer. Comme l'a dit tout à l'heure euh, mon collègue Modi, il y a pas mal de décès ces temps-ci. Et on ne sait pas réellement la cause de, ces décès. La cause réelle, on ne le sait pas. Donc, on ne sait pas où se trouve la chirurgie, on ne sait pas où se trouve euh, l'orthopédie, il y a même un médecin qui a eu à me dire la euh, semaine passée. Il a eu à opérer un vieux qui avait le Covid et qui ne savait pas, même pas que ce malade avait le Covid. Donc tout le monde est exposé. Raison pour laquelle les médecins ne veulent plus prendre les malades parce que tu vas au niveau des urgences, il y a une rupture de gants. Et tout le monde sait que dès qu'il y a un patient qui arrive, on doit le euh, voir. Mais si on ne met pas de gants, on ne peut pas recevoir le malade, on ne peut pas examiner le malade. Donc, c'est des manquements qui sont sur place. Et les gens qui viennent au niveau de l'hôpital vivent ces manquements au quotidien. Donc, je, salue l'initiative. Cette initiative, je le salue parce que ça vient à son, à son heure. Ça vient à son heure. Pourquoi parce que on a beau crier, on a beau fustiger les problèmes de l'hôpital, mais les gens n'arrivaient pas à comprendre le pourquoi de ça. Mais c'est dû uniquement à une mauvaise gestion, une gestion gabégique au niveau de l'hôpital, et ça, ça pose problème. problème de saint donc bi ñu ko doon def nag nit ñi dañu comprendre yoon woon dañu yaakaar ay syndicaliste lañ yoo xamante ni dañu jóg rek pour xeex directeur tey jii dañuy bu ñuy dem ba population bi tey am ñoo xamante ni jóg nañ dem ba saytu gis hopital bi doxatul ak problème yi am yëpp ñoom ñu jóg ne dañ koy xeex defe naa loolu lu ñuy rafetlu la hôpital Ndar comme ni sama collègue yi waxee rek nekkoon hôpital boo xamante ne dafa yàqu trop trop teb te may woo mu autorité yi muy mel ne monsieur le gouverneur muy mel ne monsieur le maire ñu ñëw saytu hôpital bi la fa nekk parce que yaakaar naa toog déglu benn directeur rek jox ko kàddu mu wax lu ko neex loolu yaakaar naa yomb na mais ñoom en tant que autorité dañu war a ñëw hôpital Ndar gëstu la fa nekk hôpital boo xamante ni tey jii ma lay wax ak yow nii man jàpp naa tey li propage covid bi ci ci Saint-Louis hôpital régional de Saint-Louis am na ci wàllam parce que jël service urgence boo xamante ni malade bu ne salaamaaleykum urgence lañ lay yóbbu moo xamante ni biira lay metti moo xamante ni tànk lay metti moo xamante ni bopp yoo xamante ni ay cas suspect lañ ji bokk nañ ci ma jàpp li traçage bi te li koy wane tey mooy boo demee ci seen urgence boobu y' a quatre médecins yoo xamante ni am nañ fa Covid ak ñaari infirmière kon day firnde la ci lii ñuy wax nii tey ak ak ak ak si huit infirmiers yoo xamante ni am nañ fa Covid kon lii tey firnde la ci li ñuy wax tey bu ñuy dem hôpital régional de Saint-Louis tey amul ambulance dégg nañ ko muy wëti réseaux sociaux naan ambulance am na fa mais ambulance boo xamante ni moo car rapide ñoom loolu ambulance bu ñuy wax ambulance mooy ambulance médicalisée tey ji boo amoon ambulance tey kenn du jël maladie y' a un mois ci gannaaw doon leen évacuer pendant huit mois hôpital régional bu Louga pour ñu def fa scanner directeur boo xamante ne tey jii oto oto ACP ACP tey moo xamante oto dafa panne mu dem réparé ko à 3 millions mais yaakaar ngeen ne tey ACP oto war na gën a doon priorité ambulance pour hôpital régional de Saint-Louis ñu jël ay malades di leen évacuer ñuy fay 150 mille pour dem Dakar ñii di fay à mille pour dem Louga plus xaalis bi ñuy war a fay ci scanner bi kooku liggéey taxu koo jóg

médecin da ngay ñëw amuñu gant bu la consulter dañuy bindal dañuy bindal malade bi euh, ordonnance mu dem jëndi gant pour mën a ñëw médecin bi consulter ko waaye léegi hôpital bi xaalis bi muy liggéey fan la jaar hôpital boo xamante ne yow fayoo personnel ba fi may wax yow ni tey jii la dina am ñoo xamante ne fayeekuñu seen salaire hôpital boo xam ne depuis six mois personnel ba fay liggéey fayeekuñu seen prime de responsabilité tu connais ne xam ne salaire hôpital salaire yu baaxul la mais lii doon dimbali ñi tey ji am na sañu collègue yoo xamante ne seen doom tey ñii génne nañ leen seen kër ñii ñu ngi leen di menacé ñii seen doom génne nañu école privée yi nekkoon yóbbu nañ ci école publique bi ñu nekkoon hôpital boo xamante ne fayatoo IPRES hôpital boo xamante ne allocation familiale bi ko hôpital boo xam ne amoo ambulance hôpital boo xamante ne bloc opératoire loolu tam hôpital régional de Saint-Louis waru mën a ñàkk bloc opératoire depuis deux mois hôpital bi bloc bi dafa tëj on peut accepter des corruptions partout mais pas à l'hôpital notre santé c'est notre première richesse nous disons au ministre de la Santé de venir ou bien de recommander au directeur de l'hôpital régionalier de Saint-Louis, Monsieur Son Excellence Tcherno Alassane Diagne, de venir faire sa retraite anticipée. Tcherno Seydou J'ignore même son nom. Donc, il fait partie des imbéciliocrates donc, ce qui se passe à l'hôpital, l'hôpital de Saint-Louis, l'hôpital régional de Saint-Louis est devenu un désert. Et nous lançons alerte à toutes les autorités compétentes ou concernées. C'est un bon parleur. On ne va plus l'écouter. On ne va plus accepter ses paroles comme les paroles du Coran ou de, l'Évangile. Donc, arrêtez. Nous sommes fâchés. Et dans cette période même, on ne sait pas où aller on nous parle de guerre biologique, on nous parle de guerre commerciale, on nous parle de toute euh, imbécilocratie que vous êtes en train de faire, mais pas dans notre hôpital, s'il vous plaît.